Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous fais lecture du communiqué numéro 81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 Les cas positifs sont répartis comme suit. 92 contacts suivis par nos services. 6 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Mariste 1, Castor 1, Cité Cœur d'Amel 1, Plateau 1, Guédiouaï 1 et Touba 1. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 2812 cas ont été déclarés positifs, 1251 guéris, 30 décédés et donc 1530 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Paye ba jeudi 21 mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot résultat examen yi may lim ci junni ak ñaar téeméer ak fukk ak juróom mi test yi def juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo positif Manam, juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo ci ay cas contact juróom benn yi di ay cas communautaire benn ci Mariste benn ci Castor benn ci Cité Kër Damel benn ci Plateau benn ci Géejawaay ak benn ci Touba juróom benn fukk ak juróom ci ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak benn malade ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci daleko tey dalee ko ci cas bu njëkk bi Sénégal am woñi nañu ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ak ñaari cas junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak benn wër ci fanweer ñakk ci seen bakken mu des ci suñu hôpitaux yi junni ak juróomi téeméer ak fanweer